l'Algérie qui a gagné, mais le Sénégal a très très bien joué, vraiment. Le Sénégal a très très bien joué Et ce match euh, encouragé parce que comme ils ont mouillé le maillot mais que au contraire je dis que peut-être euh, l'arbitrage n'a pas été tellement favorable à l'équipe du Sénégal parce que quand même ba gis gis nañ fi quelques bagages yoo xam ne bu ñu ko ciblé woon xëy na euh, mu changé fusionné bi match bi euh, ils ont très bien joué je les félicite. ban ban ban appel ngay wala sa si mot bi nga xamante ni moom ngay wax à l'envers à l'envers des lions pour ñu mën a xam ni sénégalais yaa ngi leen di bàyyi particulièrement Papa John ban message nga leen di. à l'endroit des lions mm-hmm. d'abord je les félicite je comprends la pression bi tu ci parce que nous sommes tous des Sénégalais savons que nous fi Sénégalais tech football alors euh, mënuma leen wax loolu rek ñu gën a soudéwu fexe ba bu seytaane Il y a des jours comme ça tu fais tout tout tout tout ça arrive à toutes les grandes équipes mais bii du dugg il suffit de rien un but comme ça s'est passé Mais ils doivent avoir l'habitude de ça. Et comme on dit, nous avons avec Karam. Nous avons dit que nous avons fait un ramadan. Un ramadan que nous avons cité.